Dans l'un des quartiers populaires de la banlieue de Dakar, l'image ne passe pas inaperçue. La première dame Mariam Sall, dans les rues de Pékin. Une visite inopinée pour vérifier des travaux qu'elle avait demandé à ses services d'effectuer dans les maisons des couches les plus défavorisées. Il s'agit de doter ces modestes demeures de commodités avec des toilettes et autres salles de bain. des rencontres sympathiques. souvent inhabituelles pour les populations. Amen, ah, ah, madame. yow waxuma la dara waaye lii nga am ne ñun mosuñu ko am mi ngi mel ni Macky Sall moo ma seet si wallaay boo ma teloon avertir kii ñëwoon fii sànq ni mag yow yaay ñëw damay invité sama moroom ci koñ mi da di xam sàggal la teraanga kenn du ko nëb suñu borom moo ni buñ leen defatalee defalatee xéewal na ngeen na ngeen ko wax wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis xam nga da nga ñëw man xaw ma xaw ma On est élan de solidarité et de générosité à travers l'édification d'un système d'assainissement optimal qui respecte toutes les règles d'hygiène, un soulagement pour les habitants de ces maisons. Je suis vraiment content. Je suis plus que content. La première dame s'invite tout dans l'intimité des familles démunies, dont la plus grande sobriété xam nañ évolution bi am léegi dëkk bi avancement bi ci am yëpp on n'en disconvient pas parce que on est âgé à l'âge de 66 ans sooy témoin. da ngay témoigner loo xam. Plusieurs maisons ciblées, des populations entre émotion et fierté. La fierté de recevoir chez soi la première dame du Sénégal. La famille, ko ci kaw ci kanam rek incha madame Macky ci bir kër gi suñu kër gi rek mënoon nañoo romb di dem defara ni suñu douche am na ko yokk ba yëg ko. yàlla bay ci pale bi muy ciuray rek. namoon nañ ciuray gonga. Des visites surprises du jamais vu pour ces paisibles citoyens qui n'ont qu'un seul mot à la bouche merci. parce que situation bi ñu fekkee moom mi ngi génne moom vraiment. Des populations qui sont dans le besoin et qui vivent dans la précarité. Mariam Salou est venue à leur chevet pour soutien et assistance dans leur vie quotidienne. Ce sont des instants uniques dans la vie de ces populations. Entre Pékin Nord, Pékin Est et Pékin Ouest, la première dame Mariam Sall a fait renaître l'espoir d'une vie meilleure chez ses citoyens. vraiment Elle ne compte pas s'en arrêter là puisqu'il s'agit d'un programme spécial d'assainissement intérieur des maisons des populations démunies en banlieue. Après Pikine, ce sera bientôt au tour de Yombol, assainie Kormassar, Mbaou et Gedjawai. Mieux, un numéro de téléphone est disponible pour ceux qui souhaitent bénéficier de ce programme de la Fondation Servir le Sénégal de la Première Dame. Il suffit d'appeler au 33 869 72 62